Jaloud, ça va bien Ça va et toi Dondi la machine te souhaite la bienvenue. La jeunesse nigérienne a envie de savoir plus sur l'artiste que tu es. Le créateur, le concepteur, le cinéaste, l'entrepreneur. Le Niger nous suit et ces jeunes ont envie de savoir tout sur Jaloud. Jaloud, qui est véritablement Jaloud Jaloud a beaucoup de facettes. C'est toujours difficile pour moi de me présenter parce que j'ai beaucoup de casse-tête et tout. Jaloud, c'est un jeune Nigérien euh, ambitieux, qui a des rêves et euh, qui laisse ses rêves exister et se concrétiser. On va parler un peu du parcours en question du combattant. On va parler de la formation. Je sais que Jaloud a une formation. Parlons de ça sur cette émission. Euh, moi, à la base, j'ai une formation en audiovisuel et en cinéma. Parce que j'ai une licence en réalisation audiovisuelle, en réalisation euh, radio et télévision. Ensuite, j'ai fait un Master 2 en cinéma. Euh, qui dit cinéma, dit fiction et document. Voilà, vraiment mon background est plus axé sur l'audiovisuel et le cinéma. Cette formation ici au Niger Non, je l'ai faite au Maroc, je l'ai faite en France et au Niger, parce que j'ai commencé au Niger d'abord. J'étais à, à ici pendant trois ans. Voilà, donc où j'ai eu ma licence et c'était pendant l'été quand même que j'ai commencé même le cinéma en tant que tel. Après j'étais allé au Maroc aussi, après j'étais allé en France aussi pour vraiment me former. D'accord, super. Alors après cette formation, on sait que tu t'es lancé dans le cinéma. Parlons un peu des débuts de l'artiste. Euh, le début de l'artiste euh, en tant que cinéaste, c'était en 2012. 2012 Oui, en 2012 que j'ai euh, réalisé euh, La fille du gouverneur, long métrage. On a pris le taureau par les cornes. C'était avec ça que j'avais commencé. Ensuite, ça en suivi d'autres projets de films que tu connais, euh, Le mythe de la mort, puis Combat. En quelle année, Le mythe de la mort Le mythe de la mort, c'était en 2017. D'accord, 2012-2017, tu as pris 5 ans Absolument, 5 ans. c'est le temps qu'il faut, en tout cas pour moi. Et pour pouvoir euh, mûrir un projet et le faire sortir. Donc on peut déjà dire que Jaloud a une décennie dans le monde du cinéma ici au Niger. Absolument. Parlons du cinéma au Niger. Comment est-ce que l'artiste voit un peu euh, euh, le cinéma Est-ce que le 7e art a de l'avenir ici au Niger Ah oui, absolument. Le 7e art a de l'avenir au Niger parce qu'aujourd'hui, la, la jeunesse s'intéresse au 7e art. C'est très important. Et aujourd'hui, plus personne n'a le monopole de la communication. Tout le monde peut communiquer. Donc, on a accès aujourd'hui à beaucoup de plateformes sur lesquelles on peut regarder des films, sur lesquelles on peut voir des gens qui nous intéressent, des plateformes sur lesquelles aussi on voit des success stories, des gens qui arrivent à entreprendre mais surtout à concrétiser des rêves dans des domaines précis. On voudrait avoir l'avis, euh, bien évidemment, de Jaloud. Euh, s'il faut réaliser un film, est-ce qu'on a ce qu'il faut Oui, absolument. Il y a de la substance, vous savez. Il faut juste savoir la mettre en valeur. C'est très important. C'est comme les ressources minières. Tant qu'elles ne sont pas exploitées, tant qu'elles ne sont pas mises en valeur, on ne peut pas tirer quelque chose. Et c'est pareil aussi pour Et le premier combat, en fait, c'est forcément c'est celui de l'État. Hein. C'est celui de l'État, c'est très important. Il faut qu'il accorde plus d'importance à tout ce qui est question d'art, de cinéma et tout ça, en créant des possibilités de formation, formation dans tous les sens, que ce soit dans l'aspect technique comme dans l'aspect artistique. Ensuite, des aides à la production, à la coproduction, à la distribution. C'est une chaîne. Donc l'État comprenne que avec le cinéma, il peut avoir un très grand impact économique, c'est très important. Et avec le cinéma, on peut faire de la politique. Avec le cinéma, aujourd'hui, le Rwanda nous dit écoutez, je suis le meilleur pays de l'Afrique. Je suis la destination où il faut être. Avec le cinéma, l'Amérique nous dit ben, écoutez, nous sommes la plus grande puissance au monde. Est-ce que vous voyez un peu Donc, à travers le cinéma, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements que peut opérer un pays. Nous sommes donc euh, euh, pratiquement à la fin euh, de cette rubrique. L'instant est solennel. L'artiste jaloux s'exprime. franchement, on est fatigué d'adresser des messages à, l'État. On est fatigué. On dit la même chose depuis des années et des années. Peut-être je vais les dire pour toi. Tant que l'État ne fait pas de la communication sur son image, la communication sur l'identité de ce pays-là, quelque chose à protéger et à préserver, ça va être difficile. Aujourd'hui, quand tu regardes les télévisions nationales, on ne montre que des actions de certains politiques à la télévision. Ils ont inauguré ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça et tout ça. En fait, il n'y a rien à travers lequel on a envie de s'identifier. Pour moi, la meilleure communication, c'est à travers le divertissement sans que les gens se rendent compte que nous sommes en train de les sensibiliser, qu'on peut réellement leur passer le message. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télé, tout simplement parce que la télé ne propose rien. Un pont de suspension. Ainsi par l'artiste. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. C'était jaloux.